sommes jeudi 21 septembre 2023, chers auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mariam Ade et à mes côtés, Salamout Kadri. Bonjour Salut, comment vas-tu Alhamdulillah Mariam et de ton côté. Ça va bien aussi. L'édition est assurée par Kadiga Isaka et Adam Adawaki et la technique par Amina Hassan. Alors Mariam, dis-moi ta quoi pour nous ce matin tout comme d'habitude, nous débutons cette édition avec les flashs d'informations et comme invité, nous recevons Abdelhayou Sawani, un jeune artiste, chanteur, talentueux qui exerce aussi les métiers de la plomberie. Dans la rubrique Éco des régions, nous restons à Niamey pour parler de la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Il y aura également le loti présenté par le desk femme du studio Kalangu et notre page e sport. Chers auditeurs, à présent, suivons le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour Salamatou Kadri, bonjour Mariama Adé. le flash d'information à présent le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdurrahman Tchani, a signé hier mercredi 20 septembre une ordonnance portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, et fiscale en abrégé COLDEF. L'annonce a été faite à la télévision nationale par le porte-parole du CNSP. Selon toujours le communiqué, la Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatifs à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. Le Premier ministre Ali Zena Mahaman a reçu dans l'après-midi d'hier l'ambassadeur de la République du Mali au Niger, Younous Barazi Maïga. À l'issue de l'audience, le diplomate malien a déclaré à la presse qu'ils ont échangé avec le Premier ministre sur les intérêts communs entre les deux pays et sur euh, la, dernière, la dernière création de l'Alliance des États du Sahel. Nous comptons renforcer nos relations sur tous les plans, notamment sur les plans économiques, euh, culturels et militaires. Nos échanges ont été fructueux. Nous allons renforcer la coopération et reprendre surtout la grande commission mixte Mali-Niger, a-t-il annoncé. Le souverain marocain Mohamed VI a présidé hier mercredi 20 septembre au cabinet royal de Rabat avec les membres du gouvernement une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Alhouz d'un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. La première version du programme intégré et multisectoriel présenté devant le souverain couvre les six provinces et préfectures affectées par le, tremblement de terre, dont la ville de Marrakech, Al-Houz, Taroudan, Chichoua, Azilal et Ouarzazate ciblant une population de 4,2 millions d'habitants, annonce le cabinet. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 21 septembre 2023. Merci Mouktar pour toutes ces informations et comme annoncé en début d'émission, nous avons comme invité Abdulhayou Sawani, plus connu sous le nom de Wani le Bizarre. Un artiste chanteur, dans un instant nous en saurons plus sur lui. Mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord ensemble l'un de vos titres. Il s'agit des titres Afro Zarma. On écoute la Toujours bizarre, à, Avant maganu nyezo maganu ganu kale ganda mazingi zingi zingi zingi kusanda kusanda konda yanda kanda kusanda kusanda ganu ganu kale ganda kusanda kusanda kusanda ganu ganu kale ganda ganu ganu ala rokanga mukei ala rokanga mukei daga hambani gwai kunogate C'est non pourquoi toujours nous il faut que ça change C'est non pourquoi toujours nous il faut que ça change On se moi, et Gabi, moi, et ça est On se noire et Gabi, noire et ça est Dinte ginde débat din ginde to sobai gate eh, ai sobai gate Allah bani moto in ban samu na mota ba. Voilà, c'était là le titre Afro Zarma de l'artiste Wani Bizarre qui est avec nous dans ce studio. Avant de rentrer dans le vif du sujet de nos échanges, Wani, dites-nous exactement ce quoi l'idée derrière ce son. Bon, le son, ça m'a inspiré du biti. Biti, biti, c'est du traditionnel, je crois. C'est du traditionnel. Mhm. Et si vous écoutez même la sonorité de l'instru, c'est du traditionnel. Hmm. Donc du coup, ça m'a inspiré des gens qui parlent négativement de toi. Et il a fait ceci, il a fait cela, tout ce que tu fais, ils sont là à critiquer. Donc c'est ça qui m'a inspiré aussi. Et c'est un mélange de gloire de louange et de d'ambiance d'ambiance parce que là il y, a un parti dans la partie où j'ai dit Allah moto imbansa monomoto ba ça veut dire il faut rendre grâce à Dieu tout ce qu'il te donne il faut rendre grâce à Dieu Dieu n'a qu'à me donner l'argent de moto si j'ai pas eu l'argent de voiture et la fin je devrais dire Dieu n'a qu'à me donner la santé ou bien la vie si j'ai pas aucun d'entre eux voilà <laughs> <laughs> Alors, Wani, dites-nous comment avez-vous découvert votre passion pour la musique Bon, ma passion, c'est, c'était depuis le bas âge. Hein. C'était depuis le bas âge. Avant, on regardait la télé, il y avait les Lekelkenais en jetant. On était trop petits, les Lekelkenais, les Kaidengaskia. Mais ça, ça a duré. Ça a duré, ça a duré. Mm. Donc, du coup, depuis le bas âge même, j'étais amoureux de la musique. Donc, du coup, j'avais, j'avais quitté au village d'enfants SOS. E au passage, je les remercie parce que c'est eux qui m'ont gardé depuis que j'étais bébé. Hein. Donc, du coup, là-bas, c'était tout est artistique. Tout était artistique. Euh, donc, du coup, c'est, ça vient de là-bas. Et puis, j'avais été initié par un tonton qui s'appelle Amino Barga. Aminou Braga, donc c'est lui qui m'avait initié dans la musique. Avant, c'est lui qui m'écrivait les tests et il me composait des instrus, des instrus, j'arrivais à chanter, et puis c'est parti comme ça. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé à chanter Bon, là, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, hein, je veux dire 11 ans. Et à 11 ans, quel genre de musique <laughs> tu, fais, quel genre de musique à onze 11 ans À 11 ans, tout a commencé, si, si je peux me rappeler bien, euh, le premier test qu'on m'avait écrit, si je peux vous faire un acapella, ah, bien sûr. Vas-y, vas-y. Bon. Trop d'injustice à l'égard des enfants, trop de négligence aux droits des enfants, et pourtant l'enfant est l'avenir des nations, et pourtant l'enfant est l'avenir du pays. Respectons les droits des enfants. Respectons les droits des enfants. Waouh, merci. Voilà, c'était mon premier test. <laughs> Ah, ok, et puis de ça, et puis c'est parti. C'est parti comme ça. Là, maintenant, j'ai décidé d'écrire mes propres tests. Je téléchargeais les instruits. J'arrivais à composer mes tests là-dessus. C'est uniquement Zarma ou bien c'est en... uniquement en langue ou bien. Bon, en français aussi. En français, en langue aussi. Langue Zarma. Langue Zarma, ça, C'est les deux, les deux langues locaux que j'arrivais à maîtriser un peu. Ok, d'accord, ça marche. Et maintenant, vous avez combien de titres Bon, là, je peux avoir une quarantaine, une quarantaine de sons. Quarantaine Waouh Dans ces cas, vous avez combien d'albums alors Bon, là, je ne peux pas dire que j'ai des albums parce que pour manque de moyens et de financement, je n'ai pas pu faire ça, des albums. J'arrive juste, ça dépend de mon inspiration. Quand ça vient, je compose et puis je lance sur les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude de faire des concerts Bon, j'ai pas eu à faire de concerts pour le moment. Vous avez 40 sons 40 morceaux Plus, d'une quarantaine. Plus d'une quarantaine, mais jusque-là, vous n'avez jamais fait de concert Oui, je n'ai pas fait de concert. Ok, et d'accord. Euh, chers, euh, chers auditeurs, avant de poursuivre nos échanges, Wani, marquons une pause musicale pour écouter encore une fois de plus les de vos morceaux. Lisa, pour la paix au Niger. Wane ma bacheri, oh Niger, c'est wane ma bacheri. E wane ma bacheri, e, wane ma bacheri. Eh Niger, c'est wane ma bacheri. Eh ma bacheri, wane ma bacheri. Oh. Shaggy said, well, nigga, my butt checking. Nigga, my butt checking. Suji the gum, name my two guys from Big Say. My nigga, my butt checking. Nigga, my butt checking. Nakal kanai da bono maduga dobi. Ya singa, nigga, my butt checking. Nigga, my butt checking. ಅಸಿಂದನು ಜರ್ಮನು ಅಸಿಂದನು ಬಲ್ಲನು ಅಸಿಂದನು ಹೌಸಂಚೇನು ಅಸಿಂದನು ಲಾರಬನು ಗೋರ್ಮಂಚೆ ತೂಬವ ಎಂಯೇಗಕ್ಕಾಗೆ ಲವಚಿನ ಈ ಶೇರುವನ್ನು ಮಚ್ಚು ಬೋವನ್ನು ಈ ಶೇರುವ na ɓace rai eh jari zama na maɓace rai irma ɓace rai wani irma ɓace rai eh jari zama na maɓace rai irma ɓace rai wani irma ɓace rai oh jari zama na maɓace rai in mabace lakalaka na ta no maduga dumi wani in mabace in mabace su gina gwamni maduga sun bise wani in mabace wani in mabace ku zo da kanmu mu mugi mu gina kasanmu da kanmu ku da kanmu kama hannunmu mu yi uwa mu uba guda dangi na kasanmu kishin kasanmu da cike ba kasanmu wane ma eh ni shege sai wane mabacere eh mabacere wane mabacere oh ni shege sai ma mabacere Des retours au studio avec notre invité du jour. Alors, Wani les dites-nous qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce son Bon, le son, c'est des, ça vient des événements. Hein. Ça vient de ces événements. On connaît tous la situation du pays. Donc du coup, quoi, en tant qu'artiste, j'ai décidé d'apporter ma part. Donc c'est un nouveau son. Votre ah, contribution là. Mhm. C'est un nouveau son. J'avais lancé ça il y a de cela deux semaines. Donc j'ai décidé d'apporter ma contribution pour ce combat qu'on est en train de mener, pour dire qu'on doit s'aimer. Parce que dans le combat, si on ne s'aime pas, on va se disperser. Donc on doit s'aimer d'abord et pour faire une union, un bloc. Et puis c'est l'union qui fait la force. Ah ouais, ah, on a intérêt quand même. On a intérêt. <laughs> Alors, et Wani, vous êtes aussi plombier, euh, n'est-ce pas Comment vous arrivez à joindre les deux bouts, que ce soit avec la musique ou la plomberie Est-ce que vous avez... Bon. Bon, c'est pas du tout facile, hein. C'est pas du tout facile. Parce que j'arrive à gérer les, les deux en même temps. À part la plomberie aussi, je fais de la production audiovisuelle, je fais de la photographie aussi. Donc du coup, c'est pas du tout facile, surtout avec la plomberie et la musique. Donc du coup, ici au Niger, il y a des gens qui se prennent la tête, ils vont dire qu'on moi je suis artiste là, mhm. je suis, je devrais pas faire la, la plomberie, donc c'est un métier un peu comme ça. Mais moi c'est juste un message que je vais essayer de passer aussi mhm. pour les jeunes à part la musique aussi, tu peux faire un métier, il n'y a pas de grosse tête. En, tant qu'artiste, la musique, c'est juste ma passion. Donc la plomberie, c'est ça qui me donne à manger, donc j'ai pas honte de faire un métier qui me donne à manger. C'est mon alors. Voilà, c'est mon gagne-pain. <laughs> voilà. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face euh, dans la conduite de votre carrière musicale Bon, ce n'est pas du tout facile, hein. c'est pas du tout facile. Malgré que maintenant les gens ont commencé à comprendre. Si c'était avant, ça allait, ça allait être plus difficile. Issu d'une famille musulmane, on sait tous que la musique, c'est n'est pas la bienvenue. surtout quand tu fais partie d'une famille musulmane. Donc, du coup, c'est pas du tout facile. Concernant les financements des sons, les clips, tout ça, c'est n'est Pas du tout facile. Vous avez des clips Bon, j'ai, je crois bien, j'ai deux, trois clips, je crois bien. C'est déjà passé à la télé Non, pas encore. Pas encore. C'est juste sur les réseaux sociaux, sur ma page YouTube. Ah ok, est-ce que vous rêvez de faire des, des, des featuring avec d'autres artistes ou bien vous préférez uniquement chanter seul en solo <coughs> Bon, là pour le moment, j'ai pas, j'ai pas de projet pour faire une collaboration, mais dans le temps, ça peut venir. Mais pour le moment, je suis concentré sur ma carrière d'abord si j'arrive à faire mes preuves, là, je peux commencer à collaborer avec d'autres artistes. Mais j'ai eu à faire des collaborations avec des artistes pas connus. Mais pour le moment. Des artistes pas connus, comme pas trop connus. comme par exemple, Rachidi, il y a un featuring qui va sortir bientôt, un clip avec Rachidi, le comédien. Rachidi, le comédien, ok. J'ai fait un featuring aussi avec Razbi, Razbi Authentique lui aussi. Et puis, c'est juste les deux. C'est juste deux, je crois bien. Alors, vous avez déjà passé un message, mais vous avez un dernier message adressé à l'endroit de vos fans qui vous écoutent. Bon, mon message aux fans, c'est, c'est de soutenir son artiste. Hein. C'est de soutenir son artiste et, et puis le soutenir à fond. Quand il fait des spectacles, il faut essayer d'aller assister à ces spectacles. c'est ça qui prouve vraiment que tu es fan. Tu es fan de la personne. Et puis quand il, il, balance un truc sur les réseaux sociaux, partagez, likez et, commentez, donnez vos avis aussi. Et apportez vos, vos, suggestions pour que l'artiste puisse s'améliorer. Donc c'est ça mon message aux fans et puis de travail. Moi, mon message, c'est le travail. Il faut travailler parce que c'est le travail qui fait l'homme. Et actuellement, nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu nous proposes Tu vas nous faire un petit truc quand même pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement Bon, pour, mes auditeurs, un petit acapella. Voilà. T'as toujours cherché, mais souvent très dessus. Ça va les caractères tes sont juste au-dessus. Faut toujours croire en toi, ne baisse jamais les bras. Sur tes ennemis, tu prendras toujours le dessus. Malgré tous tes rêves, la vie veut les chaussures mais continue de travailler, un jour ça va aller. Attache bien ta ceinture, comme au volant de ta voiture, attache bien ta ceinture, comme au volant de ta voiture. T'es venu, t'as vu, t'as vécu, la vie est dure, ouais t'es venu, t'as vu, t'as vécu, la vie est dure, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Ah ouais. Un jour, ah, ça va aller. ça, va, aller quand même. <laughs> voilà, merci, merci, merci infiniment, Wani, d'avoir répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu à nos questions. Nous te souhaitons un bon vent. Merci. Et on fait une pause, on fait une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation. Et eh oui, de suite à la situation sécuritaire qui est suivie dans la région de Tilaberi, plusieurs écoles ont été fermées. Cependant, pour permettre aux enfants de personnes déplacées internes de retourner à l'école, l'État du Niger et ses partenaires ont créé des centres de regroupement et d'autres enfants sont dans des écoles d'accueil. Au total, 16 006 élèves, dont plus de 8 000 filles, sont dans les centres de regroupement. Des élèves filles et garçons sont dans les écoles d'accueil, selon Hamadou Yakouba, directeur régional adjoint de l'éducation. Il est interrogé par Salamou Kadri. Ces centres ont été créés euh, l'année passée suite à la validation d'une feuille de route présidée par euh, le ministre de l'Éducation nationale euh, en sept ans. Donc, euh, il y a eu 21 centres de regroupement qui ont été retenus et 93 écoles d'accueil. Et pour leur fonctionnalité, par rapport au centres de regroupement, l'année passée, en mars, il y a eu une évaluation donc, euh, des activités de ces centres. Et si les 21 centres, 15 ont été visités. Et si les 15 visités, les 10 sont opérationnels donc euh, sont fonctionnels. Voilà, il y a d'autres centres qu'on n'a pas pu visiter pour des raisons de sécurité. Et par rapport aux écoles d'accueil, et c'était les 93 comme je l'ai dit tantôt, mais l'évaluation a fait ressortir qu'il y a 106 écoles d'accueil fonctionnelles. Quelle est la différence entre les centres de regroupement et les écoles d'accueil oui, les, centres de regroupement, c'est un des écoles effectivement choisies à partir des critères bien précis. Donc, euh, avoir une position militaire non loin, ensuite euh, un point d'eau, des classes, euh, des infrastructures en dur et des situations sanitaires, c'est-à-dire un centre CSI autour, d'une grosse localité donc c'est ça qui permet d'identifier, sont des critères là qui permettent d'identifier le centre. Et un centre de regroupement, il y a plusieurs écoles qui se refèrent dans le centre. Alors que l'école d'accueil, c'est des parents d'élèves qui se déplacent d'un point de choc vers un point sécuritaire où quand ils s'installent, les enfants dans les quartiers où il y a des écoles, ils peuvent s'inscrire et là, c'est des écoles d'accueil. Et dans la région de Tilabiri, où est-ce qu'on peut trouver les centres d'accueil Les écoles d'accueil. Les écoles d'accueil. Euh, on peut les trouver partout. Quand vous partez euh, à Torodi, toutes les écoles de Torodi, de la ville de Torodi, sont des écoles d'accueil. Quand vous partez à Gauthier, vous en trouvez à Abala, toutes les écoles de la ville d'Abala sont des écoles d'accueil. À Terra, en dehors du CS de Terra, qui est un centre de regroupement, et le CS franco-arabe est un centre de regroupement aussi, toutes les autres écoles sont des écoles d'accueil au primaire comme au secondaire. C'était là la rubrique hebdomadaire. Prenons encore une petite pause musicale avec le groupe Shawa qui nous revient cette fois-ci avec le son de la paix. les soins de la paix du groupe Shawa. Salamotou, passons à présent à la rubrique Écho des régions. Et eh oui, Mariam, dans la rubrique Éco des régions, nous restons à Niamey pour parler de la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. L'intégration de l'élevage à l'agriculture au sein des exploitations est profitable à l'intensification et aux économies familiales, mais elle engendre des conflits de cohabitation. Cependant, le Niger dispose d'un cadre juridique à dénommer Code rural dont l'objectif est de répondre aux défis liés à la gestion des terres, les conflits en zone rurale, etc. Kedi Sekoda, élément de réponse avec Kader Amadou. fitina boba wale mo imane yanje boba kan gate lokaci alfarai da kurkai gamara mantikala banda yanno la buse yadin mono aga sabili kan nan boryan majan nga al'umarai anje wani yan isko gate kala watki ne ima farai tan zama irga bai in nizar labo na kiti fonda yanka kan gane ima faraitan lokaci filanera. Idile ku mantikala kunda kan ga hagwai da sajo batamai haro da almane hausu yanwo irni zar labora kan sai igine kwadiral gwaiterino. Akwai gir fahamandi kiti fonda yi kan ne ima faraitan da matakan ihimga faraitan da. Le code comporte deux dispositifs. Kwadiralo kan ga mawo asin nikal bagin hinka bagin sintina amanci kala sabu sobun bodingi bonno kan ga hagwai da fonda idin kangana murada miti no harai kambo bagin hinkanta e gonda kiti fonda kika hay kul kangana haro sajo batamai ada almanai da hay kanga him yadin borai mini hauzu an bori wodin bandamo kangana yange kul musikoyete kiti fonda bobu yanno niger labo ni kamba da kibon kanga hagoida fonda wodin yang dir sambumo hakanga ti lokcho kige ka faraita ngayose sangi mine farmo bang kangana kurai koyim kaga kurai za na sargi zambar hin ka di waya. in nijel labo ko ga kamba da ke da fonda bon kan ga ne ordonnance 2010-029 nijel labo ko ga kamba da ke tirin wo bon me hando a an da sa gi zambar di waya to wodin a wan aya fora ko ne ihima ga faraitan kan ganan alfarai da kukwai imiskoi ke zalum amma irsa wurso akwai gibi dinga nan kirkwai gitir kabumbo ga dugu fahamandi matano faraitan yango hima ma ga teda kai ledi de libere, comment on va le faire Ahmadu Sido, asi si kalsa takan sai igina platform paysan akwai fahaman di matakan igi gate ga wada yange yange bo bawo. Kurko a gondin ga gate in ka ti kurai a ba batama. Alfari a gondin ga gate a ba batama. Batama da mo batama fallan To a si ga tonton. bore goga tonton diga ba gora am, am bori imte ma hawara bore gamera wo kendi za meri bore za unja alfare da kurkwai imicinga goro kadi kasalan kaya ti chairman irga baikan kokari bobo gogate wadin fondara annama bore hima ga tonton ngai suro ga kanga nan kai mate sabak sinai mate bore mate a follon nizer labo mako igini Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Marianne, bonjour Salamat. Bonjour. Alors, Adam, aujourd'hui, notre page sport est spécialement consacrée au tournoi des grandes vacances à Debankilare. Eh bien oui, il a regroupé neuf équipes, dont deux des villages environnants. Cette année, le tournoi est à sa troisième édition. La finale du TGV de Bankilare, organisée par l'association sportive Inelwan, a opposé le FC Résidence au FC Huberi. C'est Résidence FC qui a remporté la finale de cette troisième édition en battant le FC Huberi sur le score de 2 buts à 1.

résidence medden gotnina wad gesnent billenta nekana gadda wadana masnatnana بس كما نكنا سانا ولين ازون وادي مالاني ما الناس نراسات الدين الصغل ريزيدانس هروال أراتيين ده أنت تموسن أنا مطف ذكرتي ما الناس ونشين الشغل جوارتن ديتي دم كل أوادا دكيجا وادا تكل هغدقس هروادغا ويتم بالون انتاس اكيبتن تنسانات اكتي ندكول تم مغاس التجرو إيرغ والنغف اف سي هوبيري انت تزارت سيجي امبي مسين اف سي ريزيدانس وتسنكرف يفسنس سساقدن سيجي امبي تغاوانا الوق انتكن يجروناس ديفانسر نانا هو بريمي ملتا هي آه، نغا جوار جورتنا ديغيات آه، ماي تتزارة تهانت افلن ديغدا سينو نكانا لا نغو جوي ويكنن يا نغو رامبورتي كوب نتاغا واتا غميدانا افلاس ديلن تري تي جي في توكاي اغنين مشين على سنين كونتيني ينترينمنت هر تقل تي جي بي إيه؟ لازم ودي مال اول ما كنا تبيلن تركو كي كناس يتاغو فارماسون زلو ادرس تما قزا كل كي تاسن فرما انا كي غنيت نكا ودي غرازن ولي ناس بريمي ميلتان ايكيبين مانس تفا وات دوبت سو كسن جي هادين تكا بريمي ميلتان مندي يا داداس نني فبلس نانا امال غرازي هولن جي وغنس تزرت تموش غيلتا تسيكناس اسوساسيون سبورتيف تين الوانتان بنكلاري تبدا دغا ودي asuki nekal izdet ishmushidi wan wi daqalin igin turnuwa amma san tan fa yaget da taqalat asan nataf an tawshetin nana da sussuhi na san masa sirnalam atti da tiga tarku an tawshetin kitnasna tinakal wan bankalare yusuf ag muhammad yumasan president na association sportive tinilwan tambankalare ኢድውነተና ፍርድ ምቁጠር ትድርታ መቃስን አስ ይምሽዲውን ይምንዋ ይታገንዳዋታይ አይቴድም ያ ሽምሽዲውነሰን ኩንደብታ ዘይደርት ቲዥቪ ታምብንክላሪ ታመቃሰት ምቁጠር ዲንሻምኒን አስቲ ምቁጠር ቲንጊም አተንዲታዌ ነሳቅትየን ይባኑ ደፍን ላለምና እሻቀለምባል ተማቃቲር ታሃዳት እንታዳጋ ኢታዌ ተዱ ይባን ንፍህማ ነይቴድም ትግራዋና ተማቃቲር ህዋን ታኒ ባኑ ደፍ ናራት ማናና لا هري وين دغا نسين ساغا سمانا ناف دانا زيغن الشغل عندنا تمغو ترتي دانا رقازني هولين انت تيموسنا تادغا انلالن ردق تمغو ترتي هدنا مونا هاني سورتو اورا البيترتن البيترتن هورانا سا ارغروان فورماسيون Ici, Diwan, mushidiwan nigin tournoi tiga association sportive tinelwan tambankalare i hordate sifone tidim hullin imini yana wen unna kelgas imin yenin bannan da tamana ne tidin furo sumna nsam masa sirna lam imin yana wen alanen tamfo ya get da taqalat asan nataf ne tidin matan asan nimani ne tidin da watai asan nimani yazun wallan ne tidin da wasirtan tawshetin kitnas ne tin bankalar Et alors, salam à tous, c'est la fin de cette page sport. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam, chers auditeurs. Place à présent à notre portrait du jour. Mariam, on parle de qui aujourd'hui on va parler de Bibata Hassan aujourd'hui. Salamatou jadis réservé à la gente masculine, le travail de moniteur d'auto-école de nos jours est aussi embrassé par les femmes. Âgée d'une cinquantaine d'années, Bibata Hassan est parmi les rares femmes monitrices d'auto-école qui travaillent dans une auto-école à Deniamé. Notre reporter Maman Ada s'est rendue dans une auto-école pour rencontrer cette femme. Voici son reportage. Aïma Bibata Hassan. Mm. Bibata Hassan, il faut nous goûter Hamdala auto-école. hamdallah wato ekol ai ga ne wo ai ga ce wanda no mm. ai ga te permi be wana poilege mm. ai ga ce wanda ai ga ce wanda poilur mm. moti be wana ai ga ce wanda ifo ni gina sebin de an koma o ayo oh, de wana ikula ai ga ce wanda ai ga zan kai fahaman de bura kulu ai ga fahaman insha Allah di ko ai ga zaman dirkoy ba ka dai hay kan su jande sino sava to za wat funugo goy woni goy woni ay gay newo ay gay newo a peu près ay to dizan kan ay gogoyo wora ay to jiro way kay mais ay sinti da to e kwal farha mais hmm. oh, après no ay go newo to ay go di mamaki kan eh, nan wai barano nugo gwaiwani ifo no nufuse nugo nugo ti wai gwaiwani ah gwaiwa alhamdulillah ai murado kul go ti rano a kula ai gite hmm? a sai ganje mo dai zumbai ku koyai mai fu goyo te hali gane so so rai mi ga ka hmm. Hmm, ai murado kul go ti ara alhamdulillah to ai wodi ni hinano nijar wala nyamai ai gane ah man tai hinano alhamdulillah gonda wai bore wai gonu oh. o masalay ga babu moy y'an gono rigonde fatiyon mayde aminateyon tout sala mm. tunu ne ni da iyali e, ni gudo dama ni maka gwai ni ah. kuma iyali gono albar gono ah, albar gono ah, iza gono hama gono ai kuna e, to ifo asi asi ne asi ba ni maka gwai ah sai ganji gwai eh. sai ganji gwai gwai wo gwai no me wala burkulu a agana funda wala mm. to kani ne gwe aga bore na fanda ifo no ni du eh, gwe wani kan gote ah, gwe alhamdulillah a rana ina izan kai kula yi kokari kala izan kai son a izo a gwanda breve a gwanda bak a te police concours wala go stage son hmm, a bana bumbore ita yi duba matrikil hmm. affectation yin no je na a ya kula ramu na goga hmm. finance alhamdulillah to wato kan ne na gaba gwaiwa ne e, e, ni man du masala barfu ne irko sai nin alwai baro ni na gaba gwaiwa ne ah, sin da yadin gwai sin da yadin gwai kulkan ni goga te da fi sibidillahi a gubori gumo borma te wodi no ta alisara alhaji sin da problem da han dubu gondir banan dai ta alkul sinu inda ma'aikata alhamdulillah to son hannu bore gaba te na izo na gaba a gaba te gwai wani na ga yadda oh eto eh, a talisino borku du fonda kir koy dogo nanda sino dir koy ne mm. a ga ba ay ba ay yi fo mi te ir koy no man yedda al borno ate Sino, so a go ko fur 3 ans de bouillon c'était le 1er septembre na te ay te hay kula ba am ka don don nanda sai ma somo to irko no mane ya takal suru to kyan fudu ne no ga ma te way borai kan igo de igo al alborai Allah man te walla bor kul mi ce cinan ka furu mm ta alsinu goy harakara mm <laughs> to goy kulu gonda sandi ifo kat sandi kan nugu. a sandai kul sino da yaro to ko kokarin mu ka da leva ka bor kul kan ka irgo chawandi bora mu faham bien am ko examen am du hmm. am ka tara sa attestation problem kul sinu eh, to cewan eh, ni gote hausa sanni zarma sanni français kul nay gote je fais le français germain hausa hmm. dai dai dai lire français bor foyo isma français ay mi yega fere hausa sanni bor foyo isma hausa sanni ay mi yega fere eh, zabar manchi hmm. inshallah wi go faham problem sinu hanugo cewan a a akul afokan nugo chawyan way gore ay wa ruwa wa izai no ay ha mai no bi gore jarga ta alkul sinu eh. <laughs> wara kula fo ay do ikul mo go fahamu insha Allah iga mamu ay ce wanda ya hokane igi ci ay sai mbono kan ga iga faham normal Hmm? na faham hmm. to son yan fodu muno nugo te bore kan sambu mota eh, permi sino eh, takadda sino igo koite accident koite accident man bori bora mu ka de oto ekol irin faman da se pano hay kul fonda ine ya haya kul bora mu fahama apre da du koda am ko am fur mota ra im ce basi hmm. oh, bor mu san mota ya de ya da Merci Maman Ada pour ce beau reportage. Chers auditeurs et auditrices, bouclons ensemble notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ce titre Colombe de la paix de l'artiste Safia. Bye. de l'artiste Safia, de son vrai nom Safia Aminami, est une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne. Elle se lance dans le monde musical lors de ses études au Maroc, dans la ville de Rabat, où elle intègre un groupe musical latino-américain. Une fois de retour au Niger, elle continue sa carrière musicale en intégrant le groupe de Rabat Kaidan Gaskia. Aujourd'hui, Safia évolue en solo et continue de faire la fierté de la musique nigérienne. fin de cette mélodie annonce le loti du desk femme du studio Kalangu qui nous parle d'aujourd'hui de la consultation médicale des nourrissons. Et eh oui, montre la consultation médicale des nourrissons est importante car elle permet de diagnostiquer les maladies et de les traiter avant toute complication. Écoutons les discussions du desk femme du studio Kalangu dans ces lotis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, mon bébé. Tu veux les seins, n'est-ce pas Attends, je vais te laver. Bonjour, ici. Ah, Safi, qu'est-ce qui se passe C'est ton enfant qui pleure comme ça. On peut l'entendre depuis la porte. Hum, cousine, je te jure, je ne sais pas pourquoi il pleure. Au début, j'ai pensé qu'il voulait que je le mette au sein. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il ne dort pas beaucoup non plus, et c'est là depuis trois jours. Depuis trois jours et tu n'es pas allé voir un pédiatre Il n'a rien, je te rassure. Sinon, mon instinct maternel m'aurait alarmé. Et il n'a pas de fièvre. C'est sûrement un caprice. Ah, tu es médecin pour savoir qu'il n'a rien Et qui te dit que c'est seulement quand l'enfant a de la fièvre qu'il est malade Ce sont ces genres de négligences qui peuvent tuer beaucoup d'enfants parce qu'on ne les amène pas voir un médecin à temps. Et cousine, pourquoi tes longues études-là te souvent à la tête Tu es trop négative et tu vois le mal partout. Je t'ai dit, hein, mon enfant n'a rien. On n'a pas besoin de faire des longues études pour savoir que cet enfant souffre. Sinon, pourquoi pleurerait-il Donc, s'il n'ouvre pas sa bouche pour te dire, ah, maman, j'ai mal ici, tu vas continuer à le regarder souffrir comme ça Non, cousine. Tu le sais bien que les nourrissons ne parlent pas. <laughs> ah, donc s'il lui arrive quelque chose, tu en seras la seule responsable. Arrête de me faire peur, s'il te plaît. Mais il pleure et qu'il n'a pas de la fièvre. Tu crois qu'il souffre de quoi Oh mon bébé, qu'as-tu à pleurer comme ça Sans te mentir, je ne sais vraiment pas de quoi souffre ton enfant. Mais ça peut être n'importe quelle maladie qui peut s'aggraver si elle n'est pas diagnostiquée et traitée. Il est temps maintenant de l'amener voir un spécialiste pour en avoir le cœur net. Oh mon bébé, je t'ai fait du mal sans le savoir. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire <laughs> Écoute, ce n'est pas le moment de pleurer toi aussi. Je t'accompagne au centre de santé. C'est plus judicieux. Prends le bébé. D'accord. Madame, d'après les constats et les résultats des analyses, votre enfant est atteint de la méningite. Mais rassurez-vous, la maladie n'est qu'à ses débuts. On le prend en charge immédiatement. Eh Seigneur, mon enfant. Sèche tes larmes, c'est bon. Heureusement qu'on n'est pas venu trop tard. <laughs> Cousine, vraiment merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui serait passé dans quelques jours. Tu n'as pas à me remercier, surtout faisons vraiment attention. Dès qu'on remarque quelque chose de suspect chez nos nourrissons qui ne communiquent pas encore pour dire où ils ont mal, il faut se précipiter chez les spécialistes pour éviter toute catastrophe. Je ferai vraiment plus attention. Je ferai passer ton conseil aux voisines aussi. Attends-moi là près du bébé. Je vais dehors appeler son père pour l'informer de la situation. Merci les pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique linguistique en français et fulfulde. Ça sera avec Soumana Amadou. Quel est le mot du jour Soumana, bonjour d'abord. Excusez-moi. <laughs> bonjour d'abord Soumana. Bonjour à toutes, bonjour. <laughs> Bonjour Soumana, quel est le mot du jour Oui, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle une investigation. Donc une investigation est une recherche détaillée d'informations diverses, témoignages, photos, traces écrites euh, au, à, au sujet donc, des activités d'un homme, par exemple. Donc la police ou la gendarmerie peuvent investiguer sur une affaire quelconque pour euh, faire ressortir la réalité des faits ou retrouver les coupables. Il y a aussi le journalisme d'investigation ou journalisme d'enquête. C'est un genre euh, journalistique qui se caractérise par euh, des recherches approfondies sur un sujet délicat et d'intérêt général, en consultant et recoupant plusieurs sources pour euh, relever des faits en résistant à la tentation de la course à l'exclusivité. Notre concert euh, Adama Dawachi vient de décrocher le prix de meilleure femme journaliste d'investigation. Cette année, elle a mené des investigations sur euh, ce qui concerne les transferts frauduleux des élèves dans certains établissements scolaires de Niamey. Donc voilà en quelques lignes la définition d'une investigation que nous allons maintenant définir en full, full si vous le permettez. e biyande haalama eɗe fulfulde ko ɗum wiyete noon investigation woni wiɗagol wiɗagol ngol du dartanani tewtude lugginɗinde faamude kibaru e tokkitade golleji heɓude seede hoƴo photoji en winda keddi ko darto neɗɗo tokkaɗo en nafa faameno golɗe on no yara ɗum ɗo on misali o policiɓe e gendarme ɓe no gaɗa wiɗagol gam batte wurtinde gonga hunde ko wiya ɗum endan naadu yitude himɓe tawaɓe e ley ɗum ɗon nden noon eley fi kokkol kibaruji du no woodi kokkoɓe kibaruji wiyeteɓe wiɗotoɓe ɗum ɗo du kono wonana ni e tewtugol kibaruji sembenteji e dow fi kalaɗo e dow kulle laatiɗi kono hono nafaka yimɓe fuu non non no du fa hande ele majjum ɓe tewtan kibaruji ɗi en nokku futo heɓete ɓe kawra ɗum ngam batte tabintinde hunde ena waɗi jonnon jomum sana hakkille du to yaha yofo hoore mum fa tawe goɗɗo no wawi hedde ɗum wonƴita hokka ɗum kibaru wona gonga watta mo caggal majjum miɗen andina on wiide ke bandimi mbiteɗo adama dawaci diɗɗo amin hecci keña o heɓi mbarjaari mawdi e dow fii wiyede kanko woni debbo ɓurɗo fuu waawde e ley waɗugol wiɗagol ngol enden do kokko kibaruuji o waɗi ɗo dukandan e dow fii ko darto janngoɓe l'école Et l'école oɗo yaade l'école oɗo ko wona dow gonga ɗo en nan nder Merci Soumana, vous parlez de Adama Danwaki, notre collègue. Aujourd'hui, il est même notre chef d'édition. Félicitations à elle. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 à 64. Salamotu, il est temps pour nous d'écouter nos auditrices et auditeurs. innde am woni ɓeydu ollo e chef de scale kabiru transport birni wallahi miɗo hettino kalangu sanne miɗo waawaɗo haali dow filla kalangu kalangu to weltamin ɗum woni to hokkata laaɓaari yannde joyi yahde yannde jeego o he mintaaji sappo e joyi miɗen kettino ɗum sanne daga yannde joyi waɗi faransire ɓe kokkata ɗon en min nanta ɗum wooɗa yannde joyi e mintaaji sappo e joyi on ɓe gaɗa tamasak ɗon en dufa hannde min nanta ɗum sanne minen kadi dallol ɗo min nantana fulfulde germare hawsankore seeɗa to nde waɗi e mintaaji capantati on fulfulde nde miɗen kettino ɗum sanne sanne ko weltamin du ko ɓuri welde min sanne ɗum eh, e labari ɗin kam woni koɓe gi'ata e pendilol labari pendilol koɓe cakitorto ɗum kañƴum weltamin sanne wallahi ko weltakan ɗum kam woni to e puɗɗi labari ɗon ko e kabaruji ɗin yaade he toɓe kantata to koɓe ɓe gi'ata labari meɗen pindinol heko sukaɓe ñande samedi yaade ñande jumasi ko sukaɓe ɗum do fa hande ummatore iɗum e weli min iɗum e findina min sanne sanne wallahi noddago ko gaɗananmi woni minen kay ga allah so miɗen keɓa ɓe ɓeyda air on air on fanɗani min sanne min giɗana to watta sappo mintaji sappo e joyi ɗum ɓe gaɗa ɗum mintaji woronja woronja ba min keɓa min marto kumpa labari ñande kala kalangu singa wallahi min ngala fof kumpa ko amin no haɓan wakkati heure on fotayi e ada radio mum ɓadina de a wala radio ma hannde ko allah hoyni miɗen goodi portable uji amin ɗon min kettinto ɗum machallah ɗum min elata ardiɓe kalango ga allah ɓe ɓeydanamin heure uji ɗin min keɓa min marto kumpa maden sa adoraɓe ton ko director Jardin da Fangaura Proje. Gaskiya studio Kalangu shiri ne wanda muke yaba da shi sosai da sosai. Tunda ko cikin WhatsApp dai lokacin da nan ni fara shin shi dai. Ana aiko mini shi daga Nyami wata abikiyata. To sai yanzu gashi vraiment ina appreciate shi kwarai. Tunda suna ba da information fiable ni da ina ra'ayin su kwarai ma. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Sunana Abbati. Ina nan garin Kisawa Zamani. Gaskiya studio Kalangu tun shekara uku haka ina shugaban sosai surtu da Maritan nan dai. wanda suke yi ana yin labarin wajen mali ina yin haka kamar da kurtin kasa haka duka mai shugabansu sai kuma emission guda wannan wanda ake yi wannan ta fara wannan ta yan fara in nan cikin shi ana cika cikin wasa dariya ana haidu labaru masu muhimmanci a ciki labaran ta kamar da irin lokumin haka dai kamar na gida haka wanda mutane suke bukatar shugari shine suke gaskiya kawai wannan daidai ne kawai ba wani karin da su yi ma Chers auditeurs, un dernier tour en musique avec l'artiste Feu Hams Garba. Le titre, c'est La paix. Pour fin cette émission de ce jeudi 21 septembre 2023. Vous étiez en compagnie de Salamout Kadri et moi-même, Maria Mariamade. L'édition a été assurée par notre dame de fer Adama Danwaki et Kadiga Isaka et la technique para. Amina Hassan, très bon après-midi à vous tous, excellente journée. Bye bye.